Aujourd'hui dans votre émission Tous à la Fada, nous allons parler des jeunes mères célibataires et donc voir comment elles sont perçues dans la société ici chez nous. Au Niger, une jeune femme qui élève seule un enfant ou des enfants est très mal vue parfois dans la société. Wato ko da a ce mace matashiya ta yi aure ta rabu ne ko kuma gidanta ne ya rasu idan ya kasance tana da 'ya'ya duk yadda take iya kokarinta wajen baiwa 'ya'yan nan nata tarbiyya idan bata sake wani aure ba sai la parfois très mal vu dans la société en grande partie shi yasa yau muka karkata akalar shirin namu akan wannan shigon tare da ku 'yan uwa matasa a cikin wannan shirin naku na mu haɗu a fada comme vous le savez amis jeunes tous à la fada c'est 35 minutes d'échange de musique de chronique et de rubrique. sauraron mu yau mun baje kolin fadar tamu ne a nan filin studio kalangu inda muka ɗauko muku zancen wannan jigon namu na yau wato legion merci libertaire za mu kuma tattaunawa a kan la façon dont elles sont perçues par la société chez nous yau muna tare da manyan baki a fadar tamu zan ba su dama kowanne daga cikin su ya gabatar da kansu zan fara da dama ta <laughs> assalamu alaikum wa alaikum salam sunana rabi to rabi san da zuwa cikin fadar tamu assalamu alaikum wa alaikum salam na shakina Bienvenue à la Fada Sekina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. <laughs> Je m'appelle Farida Moukela. Farida, bienvenue dans notre Fada. Assalamu alaikum. Wa alaikum Ni dai sunana Eminil Kasum Suleiman. Yo ina tare da ku a cikin wannan fada. Sannu da zuwa a cikin fadar tamu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ni kuma Muhammadu Nuhu ina tare da ku a cikin wannan fada. To Muhammadu Lale a cikin fadar tamu. Kafin mu tsindima a cikin shirin namu bar mu saurari tsokacin da wata wadda take fuskantar wannan matsalar na jigon namu na yau za mu shi bayanan da ta yi mana. To, ni dai abin da zan ci gaskiya Mercy Libertaire sai dai a ce hamdala. Saboda gaskiya rayuwa na wahala balantana cikin wanga yanayi yanzu da muke wagga rayuwa tsadar rayuwa kuma ga rashin aiki. Saboda a gaskiya in kun duba cikin society yadda mata suke wahala suke ka tashi duk ba komi ba ne saboda an barki da ɗiya wani namijin ma in ya barki bai ɗokar ɗiya bai ɗokar yauninsu ke ce uwa ki biya kuɗin lakwal ki biya kuɗin abinci ga dukka dai komi bisa wuyanki ne sai in yaro ya girma ya zama wani abu sannan ne shi uban zai nemo shi amma lokacin da kike nan kina wahala ba ya kama miki ba uba duka ke kama ba cikin wahalan nan da kike yi ke kina haɗi ka tashi saboda ki taimaka ma ɗiyanki mai wani sai ya ga kamar ɓatanci ne kike ko ko a'a ya nemi ya yi aiki da wannan haɗi ka tashin da kike yi ya ce zai yi zan ki saboda ya bata miki rayuwarki saboda duha duka tashin da kake saboda diya ne in baka da diya wani abun ba za ka yin shi ba kuma saboda goben su ne kake nan kana yi wasu kuma ba su ganin haka nan ita matsala ba a rasa ta zama da iyaye tun da yau ko tsakanin harshe da haƙori an saba balantana kana tare da yara in yanzu akwai ɗiyan yanne ko kanne kin ga in aka yi wani dan abu kaɗan kana jin dan ciwo ka ce an taba maka ɗanka saboda ba gidan su bane kaza ana samu wannan me a gaskiya in ka samu uwa ta kwarai mai fahimta wadda ta san yadda yanayin rayuwa take gaskiya kana jin daɗi me in ka samu wadda ta sa duniya gaba ita hangenta duniya ne gaskiya kana samun matsala sosai da kai da ɗiyanka baske shine ke sa wasu uwayen suke hita ma daga cikin gidan iyayen su je su nemi haya da su da ɗiyan nasu su zamna to ni dai kiran da zan ma mutane yo babu mace da za ta cewa ta yi armi don ta shiga ta hito bayan ta haihu wajen diya nawa ta ce ta shiga ta hito saboda son duniya ko kuma kyalkyalin abin duniya abu guda ne saboda yau rayuwar duka dai ta zama ɗaya muna da matsala mazan na da matsala amma ni abin da kira da zan yi ma wa'annan mutanen in ba su iya ba su goyon baya ba to su sa musu ido su yi musu hatan allah ya ba su mazajen da suka yi wa'ancan da suka rabu da su kaɗan kenan daga cikin irin matsalolin da iyaye mata waɗanda ke ƙoƙarin baiwa 'ya'yansu tarbiyya su kaɗai ke fuskanta tuni a nan idan aka duba rabuwa ko mutuwa abu ne da kan iya faruwa da kowane mahaluki inda ya Allah ya kaddara ma bawa haka to me yasa al'umma ka nuna kamar kyashi ko musgunawa akan mace don ta rabu bebisha da ke zan fara wannan tambayar me yasa to da farko dai eh, muna cikin wani karni da da abin da ɗiya mace ta yi ko da abin da ya faru da ɗiya mace ba za a taɓa ƙadartowa daga Allah ba ne kamar gani ake ita ta nema kenan abu ya faru da ita kamar da son ta ne babu wanda zai iya shiga matsayinta ya kamar ya shiga matsayin rayuwarta ya ga me take fama da shi me yasa abu kaza ke faruwa da ita laihin duka ana tattarawa ana dora mata don shi yasa kenan duka abin da kamar society kin ta fifita maza biskan mata da abin da namiji zai yi tun tushe ne wannan da al'ada da kuma tarbiyya an kwatanta mana da duk abin da namiji zai yi ya tsaya bisa gare shi mai duk abin da mace za ta yi da duk abin da zai waru da ita yana bin ta ne iya da jikoki sakina kin ji abin da baby shan ta ce tuwa a ton avis quelles sont les raisons qui poussent la société à stigmatiser d'une certaine façon la mère célibataire parce qu'elle essaie d'élever seule son enfant Ok, merci beaucoup Fanta. Et je pense que notre sœur l'a déjà, elle a déjà tout dit. D'accord Parce que la première des choses, euh, la société pense d'abord que nous, parce que moi je suis divorcée, d'accord Elle pense que nous les femmes, on n'est pas du tout intéressés par le mariage. Genre, c'est comme si c'est une autre vie qu'on a envie de goûter et puis de ressortir. Mais une fois mariée et aussi accouchée, comment est-ce qu'on peut vouloir sortir, comme elle l'a dit donc, du coup, euh, voilà, et les hommes ne sont plus responsables. Sur les 100%, en tout cas, ils sont peu à être responsables et surtout après le divorce avec leur femme. Surtout quand ils voient que la femme sort et surtout aller chercher du quoi éduquer son enfant, faire manger son enfant et aussi euh, habiller son enfant. Je veux dire, euh, presque tout. Les gens pensent que Damas, c'est ce qu'elle voulait. Donc, c'est un peu ça, tu vois. Alors que nous, là, on a plus mal que eux qui pensent du mal de nous. Toute femme a besoin d'être dans un foyer. Elle a envie quand, quand elle sort à chaque fois qu'on dise mais c'est madame telle personne. Non, mais c'est la maman de Mohamed, c'est la maman de Anna, c'est la maman de. Voilà. Une fois qu'elle sort pour aller au boulot, elle veut aussi se sentir aimée une fois à la maison. Elle veut retourner chez elle, pas chez ses parents. Vous, ce que vous voulez dire là, euh, Sakina, c'est que la société pense que c'est parce que vous avez envie En fait, c'est même ça le plus grand problème. D'accord To Suleiman kai ana ka ganin. Me yasa mace don ta yi aure ta rabu tana kokarin ta tarbiyyatar da 'ya'yanta ita kadai. take fuskantar kamar kyashi ko musgunawa ilan quelque so stigmatisé par la société don mi to assalamu alaikum alaikum salam eh gaskiya a cikin yanayin da muke ciki a yanzu mutane suke wani dibi cewa ‘yan rabuwa ta yi su ce daman da ta shiga ma ba da niyyar ta zauna ba ne ta yi dibin gurin wani abu a can wurin mijin ne ta shiga ta samu abin da ke so ta hutu kenan yanzu ma in ta samu ɗakin shiga ba zama wa za ta yi mutane suna manta da wani abu duk abin da ya samu ɗan adam allah ne ke ƙaddarta shi kuma duk kowane ɗan adam bai wuce nashi tunda mutane su hawa da in ma abin bai same su ba ba su kaɗai ba suke suna da dangi suna da yan uwa don saboda wani ya faɗi sun mishi dariya ba sani ba shi ma zai cimma nasu ko kuma ya ma ko kuma kannansu kenan da haka mutane su daina wannan dibin saboda duk macen da ta shiga ko kuma mijinta ya rasu ba lahinta ba ne ɗiya ke gareta ta dole ta yi ta tashi kawo tunda akwai wasu maza in suka saki ba ruwan su ya nan suke bar ma ba ci ba sha kuma ba wani kula da wani tuwahi da komi kenan uwa dole ta yi lakwal ba ta yi lakwal ba dole ta tashi da kanta ta yi tsayin daka saboda ta samu abinda wannan ɗiyan nata su maza su wadata kamar ɗiyan kowa saboda ba duka uwa ba ta so a ce ai ga ɗanta can ya lalace bai karya ba bai ci abincin rana ba ko kuma alakwar an koro shi saboda bai da kage ko bai da ko bai da arduas ko kuma bai da kayan sa kamar na kowane ɗiya. amma ake ganin wannan faɗika tashin nasu kamar yadda ta faɗa wani batanci. dibin ake kama <coughs> wani shigantaka ce ta can da ba saboda su samu su samu abin da suke so. Muhammadu sai gare ka. Um, kai ma za mu baka damar tufa albarkacin bakin ka akan wannan tambayar tamu wato me yasa al'umma ke nuna kyashi ko musgunawa akan mace don ta rubu kuma tana kokari wajen baiwa 'ya'yanta tarbiyya to eh kakin in in amsa ga wanga tambaya eh ina yace rabuwa ma eh kala kala ne muna da irin rabuwa biyu akwai wayansu mata da suke tambayan rabuwan akwai wasu kuma eh, kaman a ce reputation miji ne ya tashi mm. abun ya yi san mishi ya ce ta na rabe ci to manci wannan ma akwai uwaye masu daya wanda ba cikin aure na to society in tamu duka su akwai dibin da ake musu mm. in mace ne ta rabun da aurenta cikin fami ma ana gani kaman bata da hankuri dama ba ta son auren ba ko ba ta da niyya ta zamna cikin aurenta mhm. suna gani kuma kamar abun yana musu nauhi a gidan ga mata ko in ce ga diya mace da diyanta sun koma a gida pour la famille même ça, ça devient un du coup duk abun ana ita samun shi tashin hankali ana dibin kaman bata da hankuri ne mm. bata da hankuri tun nan wurin ma an fara stigmatizanta tun nan an fara stigmatizanta to baby sha sai tambayar mu ta gaba kamar ita wannan stigmatization kin ko in ce wannan kyashin da ake nuna musu a cikin uturdutwa da kika diba kika gani wajen wane ne suka fi fuskantar wannan kyashin dangi ne abokanai ne yan uwa ko kuma mutanen waje ne matsala ta ko ina ne ki take zauwa shi yasa abun kamar ya taru yayi yawa gida a maka waje a maka wanda ya sanka da wanda bai sanka ba ya maka abin babu daɗi kuma wata rana ɗanka zai iya huta waje yana wasa a mishi gori a tsangwami ɗanka a tsangwame ka abin sai ya mamace yawa can da take ma gidan arman ba a san ba wata baƙa wuya take ci ta yi haƙuri har ta kawo ya wannan lokaci mm-hmm. allah ya kawo ƙarshen zama mai mahi yawanci duk matsalar da mace za ta samu da mijinta kullum sai dai a ce mata da yake haƙuri zaman gidan miji ɗan haƙuri ne mm-hmm. to ba dan an ce ai ba bane kuma sai a rika maka duk abin da aka ga dama kenan wata rana zuciya da jiki sai ka kasa jurewa kenan in mace ta hutu maimakon a rika tsangwamata a rika janta a jiki har Allah ya kawo mafita takan yi wa mata hutu tare da cutar me ake cewa yawa wasu wasu violence ma ce kamar wani miji yana ba da kashi yana tsangwama kyara da wani wane ne abin in yayi yawa cikin hankalinta ma bata da stability kenan ka hito kuma gidanku da kake ganin nan ne ya kamata a ce ka samu wata duk kariya ka zo nan kin ma ana tsangwama ka kenan mai yawanci shi yasa suke shiga duniya tunda babu inda zaka kai kukanka a saurara maka gidan mijin ba daɗi gidanku ba daɗi al'umma ita ma ta sa bakin kenan an ce kai min kenan Um, Sakina, je veux revenir vers toi. Souvent, on dit les parents contribuent soit par des paroles, des actes ou juste des blagues. à rappeler aux jeunes mères célibataires qu'elles ont peut-être entre griffes échoué étant célibataire. Comment se détacher de tous ces préjugés Ne pas les écouter. <laughs> Aussi simple que ça. Ne pas les écouter, tout simplement. Parce que tant que tu vis, que tu sois mère célibataire, que tu sois, je sais pas, quelqu'un d'autre, à part être célibataire, les préjugés sont toujours là en fait. Dès que tu fais quelque chose, il y a des gens qui ont déjà quelque chose à dire là-dessus. Donc, euh, du coup, ignore tout et avance. Tu as un enfant devant toi que tu dois élever, que tu dois vraiment éduquer. Cherche vraiment de l'argent et surtout dans ton halal. En tout cas, moi, c'est tout ce que je, je, je conseille aux jeunes mères célibataires dans, dans, dans halal. J'ai un objectif à atteindre en fait. C'est mon enfant qui m'attend à la maison. Tu m'insultes dehors, je rentre à la maison, il me dit bon arrivé maman, je souris et j'oublie tout. Pour la conscience tranquille, complètement. um, <laughs> toi, à ton avis, comment se détacher des préjugés dont font face les mères célibataires Il faut s'armer de patience et se dire que voilà, un jour tout ça là, ça va finir. Les gens, tu fais, tu fais pas, ils vont parler. Tu es, tu n'es pas, ils vont parler. Ils vont dire du mal de toi, il y en a ceux qui vont dire du bien de toi. Certes, ça fait mal, ça fait très mal, voilà que un de tes parents, surtout ta soeur ou ton frère, te dit, qui t'a dit de divorcer, de venir à la maison, tu es à l'écart, on t'écarte complètement. Surtout si tu as les enfants, tu mets à l'écart, il met tes enfants à l'écart. Surtout si vous êtes nombreux à la maison, tu vas te sentir mal pour tes enfants s'ils font quelque chose. Ah, vous êtes là à faire n'importe quoi. Même si la personne fait une toute petite chose, ça va créer des histoires, ceci, cela, des trucs comme ça. Ça, fait mal, mais il faut s'armer de patience et se dire qu'un jour ça va finir de trouver un bon travail dans ton halal, comme l'a dit l'autre là. Mhm. Et puis, on passe à autre chose. <laughs> To kafin mu ci gaba mu shaye mu baiwa studio Kalangu fili tare da shirin nan La Rubrique Rose. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Bonsoir à tous la rubrique de ce samedi avec moi, Ruki, nous découvrirons une recette de chez nous, le brabusco ou semoule de céréales. Puis, dans l'espace santé et bien-être, nous allons voir comment soulager les règles douloureuses avec moi, Fanta. Et avec moi, Vivi de l'actualité web, cette fois-ci, nous allons découvrir euh, une artiste jeune, belle, pétrie de talent. Top, c'est parti! Bonsoir les amis, me revoilà, j'espère que vous allez bien. Dans l'espace cuisine de ce soir, je vous propose une recette traditionnelle du Niger, plus précisément des régions de Zender et d'Ifa. Il s'agit du brabusco ou semoule de céréales. Pour 10 personnes, il vous faudra 4 kg de mil ou sorgho, 1 litre et demi d'eau et de l'huile d'arachide. Alors, la préparation. Moudre ou piler le mil pour extraire le sang. Laver le mil tout en prenant le soin d'extraire des graines de sable. Laissez sécher au soleil, moudre les graines pour obtenir la semoule. Tamiser ensuite pour extraire la farine. Dans une marmite, mettre l'eau à bouillir. Ajouter de l'huile Cinq minutes après ébullition. verser par petites quantités la semoule tout en remuant avec la spatule. Laissez cuire à la braise ou à feu doux pendant 20 minutes. Au cas où vous utilisez le bois de chauffe pour une meilleure cuisson, vous pouvez verser quelques braises sur le couvercle de la marmite. Lorsque la semoule est bien cuite, versez dans une calebasse tout en malaxant avec une louche. Servir dans un plat. Ce plat s'accompagne surtout avec de la sauce d'oseille, mais à défaut, une sauce légumes. Peut être aussi consommé avec du lait caillé ou du lait frais sucré. Ok, merci pour ta recette de Brabusco. Et euh, ce que je peux dire, euh, la sauce oseille, sauce carassou chez les Kanouris, si tu mets un peu le beurre du lait de vache <laughs> frit, c'est encore meilleur. Fanta, on passe à toi les présent. Coucou les filles, bienvenue dans l'espace santé et bien-être. Aujourd'hui, je partage avec vous quelques astuces pour soulager les règles douloureuses. Ces visiteuses mensuelles qui annoncent leur arrivée avec parfois tout un lot de tracas. Ce sont des crampes musculaires au niveau du bas-ventre, du dos et même des cuisses, des maux de tête, des ballonnements, de la diarrhée ou même des vomissements pour certaines. Et même si les organismes réagissent différemment face à la douleur, très peu de femmes en sont épargnées. Mais heureusement, il existe des astuces naturelles pour soulager ces douleurs. Il s'agit justement de se faire un un bain chaud par exemple, car cela aide à détendre les muscles, ce qui peut apaiser les crampes. Prenez le temps de vous reposer aussi et de dormir suffisamment. Vous pouvez pratiquer une activité sportive légère ou bien appliquer une serviette chaude sur la zone douloureuse. Il faut surtout manger sainement et diminuer les prises de café, du thé ou de la dose du sel dans vos aliments. Évitez aussi les situations stressantes. Mais je dis bien, si vous vous posez des questions sur l'un des symptômes ou si l'un de ces symptômes vous gêne ou vous est insupportable, n'hésitez surtout ou pas à consulter votre médecin ou gynécologue pour demander conseil. Merci Fanta, je crois que tu as aidé plein de jeunes femmes avec euh, la rubrique santé et bien-être d'aujourd'hui. Donc là, on va passer à l'actualité web. Cette artiste que je vais vous présenter aujourd'hui, elle a littéralement cassé Internet. Amis jeunes, ce qu'on ne peut pas louper cette semaine, c'est comment la jeune artiste nigérienne qui s'appelle Fadi a cassé Internet. Les pages Facebook de promo musicale étaient inondées de ses photos et vidéos de freestyle. Et celui qui cartonne en ce moment, c'est le titre Abanaban, c'est fini en jarma. Selon la page Facebook promo, grâce à ce son super dansant, le compte Instagram de la jeune artiste a migré de 13 000 abonnés à 13 600 en seulement 3 heures de temps. Incroyable. Née à Abuja au Nigeria, elle est d'origine nigérienne et vit aux USA. Une position géographique qui a bien marqué sa musique à mi-chemin entre la pop musique et l'afrobeat. Elle chante en jarma, sa langue maternelle, en français et en anglais, avec des titres comme Belle. Tender ou Cold, Fadi montre bien sa maîtrise des tendances de la musique urbaine. La gestuelle, les danses ou encore le style vestimentaire, tout y est. Quelque chose me dit qu'elle n'a pas fini de faire parler d'elle. Les Corées, sur le titre Abanaban s'enchaînent sur TikTok. Dans la rubrique rose, on s'y met aussi. Abanabanaban.

Amis nous sommes de retour dans notre émission Tous à la Fada Indeo à Namfilin Studio Kalangu. Muke ci gaba da tattaunawa akan maudu'in namu na wato les jeunes mères célibataires da yanda ake daukan su a cikin wannan Tam. tamu. Za mu ci gaba da tambayoyinmu. Amsaki nawa ga tambayar ke Est-ce que il y a des avantages à être mère célibataire? <laughs> Vaut mieux qu'on passe en fait. Non, je ne pense pas. Euh, non, non. À mon avis, euh, kamar yanzu ka hito gidan mijin da yake tsangwama maka yana bada kashi hatta kai na bugun ka gaban 'ya'yanka sai in ga rabuwan ma ya yi zama arman ko ba gaskiya ba tunda duk namijin da ya iya bigin ki gaban ƴaƴanki wata rana Allah kaɗai san me za a yana ma iya kashe ki kenan da zama da irin wanga namijin wallahi gara rabuwa on dit toujours le mariage n'est pas une fin en soi même les célibataires iront au paradis babu mu da ba ta so ta zamana gidan mijinta me ba kuma ba dan kana so ka zamana bane zaka zamna gidan mijin da za a rika bugo da wani tsangwama da wani wane ne da irin wannan mijin ni dai a mun bula abi wallahi gara ka dawo gidanku ko ba gaskiya ba tu veux répondre OK vas-y Mahmoud <laughs> Je prends l'exemple des, des, veuves. Et si et on regarde euh, du point de vue religieux, le regard de la société diffère par rapport aux autres femmes divorcées. Parce que mun san da addini musulunci ya ba da abun ga conseil da yawa bisa kan kula da yan mutane da ubansu ya rasu akwai lada da yawa. Bancin wannan akwai structure ko in ce ONG da yawa da suna taimako irin wayannan mata don su samu autonomization na kansu don su samu su ce da iyayensu da kansu. sai un peu to suleiman kai zan yi ma wannan tambayar kamar akwai iyayen da idan 'ya'yansu maza suka tashi suka ce za su auri mace wadda take da 'ya'ya sukan kiyawa eske yi logique at ton ba ma iyayen ba akwai matasa da dama wanda yan suka tashi armi sai su yi dibin da mace tanki tana da ɗa lalle ba tasu bace kuma yanzu a lokacin da muke ciki soyayya ta wuce wannan wurin ilsufi ke kawai a ce da kai da wadda kake son arma kuna gane ma da juna kuma kuna son juna kenan ban ga abin da ya ba wani iyaye ko kuma wasu 'yan nakace nace mi za ka yi da wannan wannan tsohuwa ce wannan latijuwa ce wannan ta san duniya wannan ta yi ne in kuna son juna kuna gane ma juna wannan duka ba komi ba ne za ku yi haƙuri ku zauna tare kenan mutane su ɗebe wannan cikin kansu in allah ya ƙaddarta mai ɗiya uku za ka arma mai ɗiya hudu takan yi wa ita wannan in ta zo za ta mahin zama da wadda za ka je ka ɗoko wadda ba ta da ɗiyan tunda ita ba ta san meye zama arme ba ita kuma wannan ta shiga ta hito ta ji meye zama arman kuma ta ji meye in ta huto mai ake ji kenan duk abin da ya kamata ta kiyaye ta kama ta tsare za ta kama ta tsare saboda ta rike wannan mutuncin nata da mutuncin ɗiyan nata ya kamata a ce yanzu lokaci ya ka inda ya kai mutane su bar wannan tunanin tunda in kowa ya ce wadda ba ta yi aure ba ko kuma wadda ba ta aihu ba zai arma a gaba mutane ba su samu 'yan mata wanda za su arma wanda ba su riɗiya ko wani abu haka <laughs> euh, Je vous raconter une petite histoire. J'ai un oncle. Il voulait se marier avec une mère célibataire, elle a deux enfants. Maintenant, la famille, elles ont mal pris. Ils ont dit que toi là, tu es fou. Toi, jeune célibataire, qu'est-ce que tu vas faire avec une mère qui a non seulement pas un enfant, mais deux enfants Tu es fou. Même les parents l'ont insulté. Alors il a une sœur qui est divorcée, elle a quatre enfants. Elle-même, elle s'attendait à ce que quelqu'un vienne la prendre, mais elle refuse que son frère aille épouser une femme qui a deux enfants. Finalement, le mariage a eu lieu. Mais la femme, là, quand elle vient, il y a mariage dans la famille. Elle se présente, elle fait cinq minutes, elle disparaît. de toute façon, les gens vont la regarder bizarrement. Elle se sent mal à l'aise. Quand elle vient, c'est juste, elle ne va pas dépasser cinq minutes. Et puis elle dit, elle va s'en. Comme si en fait c'était un crime Quand elle vient, elle est là, dans un coin. Comme si elle n'est pas venue à un mariage ou un baptême. Elle est là. dans un coin, s'assoit. Société qui Imagine ce que cette femme-là ressent. femme divorcée kakin ta samu aure ma ina ce don saboda mutane ba su nan gabi doka ne parce que dai mace ta rabu bisa addini ko ko an dauki text mu akwai e, charge na amfan mhm. da ya kamata mace in ta rabu ta bi doka a gani ha ita ne za ta samu gardin diyan ko namiji paske ba ta yi wa namiji ya tashi ya saki mace ga nan shi kuma ya wanke hannu ya wanke hannu ya bata ita kada harkokinta da ita da ma, don mata su bi doka le droit de parler autant on va on n'est pas en Europe ici en crois-moi on n'est ni euh, je sais pas en Côte d'Ivoire ni au Bénin ici on est au Niger quand un homme te divorce tu divorces avec tes enfants d'accord et nous d'accord en tout cas moi je me dis toute famille euh, qui se respecte mhm. toute famille qui se respecte tu vas pas dire, tu vas suivre l'homme là pour qu'il vienne assumer ses responsabilités de père. Voilà, il a un père. <laughs> Et il a vu comment son père a pris soin de sa mère et de lui-même. Si on n'avait pas pris soin de lui, est-ce qu'il allait être grand Jusqu'à mm. même se marier. Mais toi, Rivière, ton tour, tu ne veux pas assumer ta responsabilité. Pourquoi moi je veux me rabaisser pour te suivre peut-être aller à l'association islamique. Non, allez-y revenir demain. La meilleure solution ici, c'est que tu cari de ton côté. C'est tout, bats-toi et puis pourtant, voilà, élève-toi. C'est des moyens de, recours qui existent. Non, non, même, même à l'association islamique. <laughs> Même à l'association islamique. Akoy abunda ana Yeche. uban yara duk ana ya abin da maza da yawa ba su yi a nan kamar yadda kuka sani ba su <laughs> sauraron mu fadar mu muna yi ne muna shakatawa bari mu saurari wannan faifan kaɗan sai mu dawo <laughs> mata bude agon gida bude haske gida yan ba mace ya zama aikin maza ya kuma dama ba sa gidin begen da yara yan kankana na kukan da su girma mata su ne ga aiwadansu suna wai su dauke ji rungume ci sai su yi mishi wanka su sanya mishi maki shi jike shi yana taushi ga wani da kwafilan shi daidai da jiki ne ya sa su yana a kukai na kallo sauraron bar mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mu haɗu a fada akan maudu'in namu na wato Legion Merci Libertaire inda yau muke tattaunawa akan la façon dont elles sont perçues par la société. Kamar yadda na faɗa yau muna a filin studio Kalangu inda muke nan ga tattaunawa tare da bakin namu. Za mu ci gaba da tambayoyinmu. Um, sakina, Il y a plusieurs stéréotypes sur les mères célibataires. Par exemple, en Hausa, on dit des enfants issus des mères célibataires que yammatani, qui parfois renvoient au fait que base de tarbiya en abakana. Est-ce que tu penses que la femme seule, elle est incapable d'élever son enfant? Comment ça incapable? Pourtant, elle a été capable de l'accoucher. Ça, c'est quelle sorte de question encore? <laughs> non, mais attendez là. Sérieux? ça c'est au vu de tout ce que j'ai cité plus haut. Sérieux là? <laughs> tu portes ta grossesse pendant 9 mois. Non, mais imagine le travail et tout ça là. Et puis on te dit que tu es incapable d'élever ton enfant. Yako, dans là C'est pas possible. Moi, je me dis que non. La femme, elle est capable. Et si vous regardez bien, aujourd'hui, il y a des hommes qui ont tellement pitié de leur femme, qui aident leur femme à faire la cuisine, les vaisselles, d'accord mhm. La majorité des hommes là, en fait, ce sont les hommes que les mères ont élevés, d'accord il ne suke jin mata faut pas que ce que j'ai vécu chez ton père que tu fasses vivre ça à ta femme. Mhm. La femme, elle est capable d'élever même tout un pays à plus forte raison, un seul enfant ou bien. C'est pas possible. Je peux pas être d'accord avec la question là. <laughs> Ah c'est pas moi. <laughs> C'est trop sensible. tarbiya dai muna ce faran biyu ce ba da tarbiya na yara mai an diba yawancin mace ce tarbiyyan kamar ta yahi nauyi bisa kan namiji mm. paske namiji abunda addini ya sa bisa shi ya ce da iyalin shi da les habillés et autres mais majoritairement l'éducation repose sur la femme si on regarde dans notre société même si on regarde l'éducation des enfants si c'est un enfant mal éduqué on indexe la femme au lieu d'indexer le mari donc euh, on ne peut pas dire vraiment que eh, la femme divorcée ne peut pas vraiment éduquer ses enfants. Mm. Sur ce, on va d'abord accueillir Olivier et sa chronique du jour avant de clôturer. Amis auditrices et auditeurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Cette fidélité qui représente pour moi le pilier même de ma motivation et je ne cesserai jamais de vous le dire. Eh bien, dans la chronique de ce soir, nous allons parler de chocolat. Rassurez-vous, cela n'a rien à voir avec l'artiste rappeur chocolaté. Non. En début de semaine, les pays producteurs et transformateurs de cacao se sont donnés rendez-vous à Bruxelles dans la capitale européenne pour discuter des prix d'achat et de vente du cacao, produit principal dans la fabrication du chocolat. À cette rencontre internationale, deux pays africains ont brillé par leur absence. Il s'agit là du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Ces deux pays ont opté pour la politique de la chaise vide face à des entreprises et États qui visiblement ne prévoient pas d'augmenter le prix d'achat du cacao. À un moment important de l'économie mondiale où les prix des produits de première nécessité ont considérablement augmenté, il est quand même surprenant que le prix du cacao ne l'est pas. Mais vous vous demandez toujours c'est quoi le rapport entre l'économie mondiale et le boycott de la réunion de Bruxelles sur le cacao. Bakari Traoré, directeur exécutif de l'ONG IDEF, Initiative pour le développement communautaire et la conservation de la forêt, membre d'une plateforme chargée de défendre les intérêts des producteurs de cacao, s'exprimait sur RFI en disant Quand vous regardez la production du chocolat, vous avez du lait, du cacao et du sucre. Le prix du sucre a augmenté, le prix du lait a augmenté, mais le prix du cacao ne fait que baisser. Et pourquoi Parce que le sucre et le lait sont produits dans les pays du Nord, c'est-à-dire les pays occidentaux, et qu'il faut aider les agriculteurs du Nord. Mais ceux du Sud, c'est-à-dire de l'Afrique ou des pays pauvres, donc de la Côte d'Ivoire et du Ghana, on s'en fout. Ce n'est pas notre problème. Non, il faut que cela puisse changer. Non seulement c'est injuste, mais en plus, c'est à la limite de l'immoralité, a-t-il martelé. Cette situation un peu confuse relance le débat sur l'industrialisation de l'Afrique et la transformation des produits locaux sur le continent. En Afrique, cette décision a été saluée par plusieurs internautes qui y trouvent dans ce bras de fer l'émergence d'une intelligentsia africaine capable de défendre les intérêts du continent. Si demain vous dégustez du chocolat, pensez à la saga économique qui est derrière. Vous comprendrez mieux cette chronique. D'ici là, portez-vous bien, et à demain pour une nouvelle chronique. Bye bye. Paix, lumière, amour sur vous. One big love. Merci Oli. Et oui les amis, tout ça la fada c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir suivi. Notre thème d'aujourd'hui c'était les jeunes mères célibataires et la façon dont elles sont perçues par la société. Manya mbakin da muka da fadar mu tare da su. da Baby elle n'est plus à présenter. <laughs> Avec Sekina, Farida, Suleiman de Mahamadou. Et comme ils l'ont dit, ce n'est pas la faute de la femme le fait qu'elle soit stigmatisée, vous l'avez tous écouté, c'est juste une mentalité de la société qui doit changer. Merci à tous de l'avoir suivi. C'est comme gobe dans la caméra une des inda za mu dawo da wannan shigon. Amma za ku ji mi irin wannan matsalar ke iya haifarwa. Kafin nan ku ci gaba da kasance tare da shirye-shiryen Studio Kalangu.